forum du le forum du studio le forum du le forum du le forum du Bienvenue à tous dans le forum du Studio Kalangou, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Au menu du forum d'aujourd'hui, la problématique de l'orientation et du choix des filières pour les élèves après l'obtention du brevet ou du bac, les difficultés liées à la constitution des dossiers, quelles sont les principales difficultés que rencontrent les élèves dans la préparation de leur dossier d'inscription, qu'est-ce qui justifie certaines exigences, comment alléger les souffrances des élèves et des parents d'élèves. Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons invité Wisliman Ransratan, vice-président de l'Association des parents d'élèves et d'étudiants, Adibis Alio, secrétaire général de l'Union des scolaires du Niger, USN, section collège et lycée de Niamey, et Abdoulaye Sandamaïga, président de l'organisation patronale des grandes écoles du Niger, OPAGEN. Et pour la présentation de cette émission, c'est moi, Alassane Kouzi Mesdames et messieurs, bonsoir. La problématique de l'orientation et du choix des filières pour les élèves après l'obtention du brevet ou du bac, les difficultés liées à la constitution des dossiers, c'est le thème autour duquel tourneront nos échanges durant trois quarts d'heure. Au Niger, l'offre en matière d'éducation est assurée non seulement par l'État, à travers les écoles, instituts et universités publiques, mais aussi par les particuliers, à travers les écoles professionnelles privées. Le nombre de ces dernières a beaucoup évolué et elles offrent divers types de formations. Cependant, le processus pour pouvoir s'inscrire dans ces écoles n'est pas sans stress pour les, élèves, pour les élèves et leurs parents, tant les modalités, les conditions en vigueur demandent des moyens et des informations précises. C'est de tout cela que nous allons parler. Je commence tout de suite par le vice-président de l'association des parents d'élèves et d'étudiants, M. Wissliman Ransratan. En cette période où la rentrée scolaire s'approche, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus Tout parent se soucie de bien placer son enfant, que ce soit au niveau des écoles publiques ou au niveau, des écoles euh, privées, parce que nous avons tendance aujourd'hui à comprendre que les élèves se sentent mieux à l'aise dans les domaines euh, privés qu'au public compte tenu de certains paramètres que nous n'allons pas évoquer ici. Hein. Mais quand vous m'avez posé la question, je suis stressé. Stressé parce que euh, les bateaux euh, risquent de démarrer, mais euh, vraiment les passagers seront peu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, à travers votre Vous faites allusion au résultat de cette année ou Le résultat le résultat des différents examens. Euh, euh, nous laisse euh, vraiment toucher par le nombre de nos enfants qui vont continuer à traîner. Hmm. Parce que le taux de pourcentage de réussite est très faible. Ensuite, comme vous l'avez dit, les filières dans lesquelles ceux qui sont concernés et admis, les filières aussi sont un peu compliquées pour eux du fait des moyens et du fait aussi de la méconnaissance de la constitution des dossiers pour accéder à, aux, études supérieures. Bien. Mm. Euh, nous donnons la parole à Abdullah Sandamaïga, euh, je le disais, président de l'OPAGEN, l'organisation patronale des grandes écoles du Niger. Euh, on sait qu'il y a certes des différences hein, d'une école à l'autre, concours d'entrée, documents constituant les dossiers. Pouvez-vous juste nous rappeler quelles sont en général les principales modalités ou exigences à suivre pour s'inscrire dans Constituer un dossier, c'est <clears throat> les choses euh, qu'on peut demander normalement à tout un chacun. C'est les, les, pièces d'état civil, c'est-à-dire mm. acte de naissance, nationalité, et aussi les bulletins de ton ancienne école et ton diplôme. Voilà. Donc, constituer le dossier, peut-être que la difficulté se trouve dans les différentes étapes pour la légalisation et autres, c'est-à-dire les frais qu'on a mis, ce qui n'existait pas avant. Parce que maintenant, il fallait mettre le timbre de pas 200, de 200 francs, de 300, de ceci et cela. Mm. Tout le problème se trouve à ce niveau. Mm. Parce que quand on est en face, des gens qui sont habitués, tu vois, juste on te fait une légalisation, on signe à 500 ou à 200. Maintenant, on te dit encore, maintenant, il faut ajouter un timbre de ceci. Mm. S'il n'y a pas le timbre, on rejette. S'il n'y a pas ceci. Bon, voilà les difficultés peut-être. Mm. Bien, merci. Nous donnons la parole à, à Alio, euh, je le disais, secrétaire général de l'Union des scolaires nigériens, section collège et lycée de Niamey. Si vous pouvez nous rappeler quelles sont les principales difficultés que rencontrent les élèves euh, donc après l'obtention des différents diplômes BPC, euh, BAC, constitution des dossiers pour les inscriptions de dépôt et inscriptions. Et moi, je dirais tout d'abord, les, les grands problèmes se posent au niveau des chefs d'établissement et surtout les chefs d'établissement des établissements privés. Parce que nous avons siégé à la commission d'orientation cette année et nous avons constaté presque les 80% des établissements privés, ils refusent de constituer leurs dossiers et eh, pour amener eh, les dossiers des candidats admis au BPC. Nous avons constaté plus de 4000 dossiers non complets pour que ces camarades-là puissent être orientés dans les établissements publics. Nous avons condamné ça. Nous avons demandé à la commission d'orientation même de reporter la commission pour que nous puissions faire la sensibilisation et passer l'information au niveau de nos militants là. Parce que nous avons constaté ces chefs d'établissement, c'est comme s'ils ils sont en train de faire du commerce. Quand nous avons eh, eh, abordé trois écoles, de la région de Niamey, des établissements privés, parce que nous avons constaté c'est dans leur école qu'il y a plus de nombre d'élèves qui n'ont pas été orientés et, suite à des dossiers incomplets. Nous les avons affrontés pour leur demander mais pourquoi dans, dans votre école, plus de 200 candidats admis au BPC ne bénéficieront pas d'une orientation à l'école publique. Nous avons posé la question à ces chefs d'établissement. Ils ont dit, ah, c'est les parents qui ne veulent pas. Nous, nous avons dit non, on ne peut pas avoir 200 parents qui disent qu'ils ont les moyens pour encore payer la seconde pour leurs enfants dans les établissements publics. Quelles sont les, euh, autres difficultés liées justement à cette préparation pour aller dans les, dans les écoles en tout Cas, nous avons fait des recommandations à la commission d'orientation mm. parce que nous avons dit dans les années antérieures, il y a une commission qui, qui, qui passe d'informations dans les différents établissements avant les examens. Ils passent pour euh, former les élèves, pour les informer que voilà, après l'obtention du BPC, voilà les dossiers à constituer. Et c'est ça qui nous permet à ce que les camarades puissent être informés des, euh, des dossiers qu'ils doivent constituer. Parce que les chefs d'établissement, ils n'informent pas les élèves. Voilà, voilà, après l'obtention du BPC, voilà les dossiers que vous devrez amener. Et il y a même certaines amènent les dossiers, les élèves amènent les dossiers, mais ils, et ils refusent d'amener. Et ça, c'est pour ce qui concerne les, ceux qui sont les brevetés et pour ce qui est du, des, lycéens, ceux qui arrivent après l'obtention du, du, bac. Oui, et ça, là, vraiment, il n'y a, pas, y a pas beaucoup, il n'y a pas un problème énorme par rapport à la constitution des dossiers. Parce que mm. dès que tu es admis au baccalauréat, c'est toi-même qui vas faire tes démarches pour aller te renseigner relativement à la constitution Parce que tout à l'heure, on a entendu le président de l'OPAGEN euh, euh, aborder cette question de d'orientation, de choix de filière ou mm. d'école. Souvent, en cas, euh, les gens viennent. Euh, effectivement, vraiment, le président de l'Opagène, il a parfaitement raison mm. relativement à la constitution des dossiers des candidats au baccalauréat. Et c'est-à-dire au niveau de la négalisation. Mm. Aujourd'hui, même une demande simple, hein, une demande manuscrite, il faut, il faut mettre un timbre de 500. Mais nous ne savons pas dans quel monde nous nous retrouvons maintenant. Avant, c'était gratuit. Tu fais la demande, tu mets dans tes dossiers. Même l'enveloppe là, il faut timbrer. Mais aujourd'hui, les parents pauvres qui n'ont rien, comment est-ce qu'ils peuvent avoir cette euh, orientation Comment est-ce qu'ils peuvent constituer le dossier de leurs enfants pour déposer à la NAP Même ça, c'est un véritable problème. Et vraiment, nous, par rapport à ça, nous, avons, nous allons se réunir avec le comité directeur qui est l'organe moral vraiment de, revoir cette question des, dossiers par rapport à, aux légalisations, aux timbres et là. Bien. Alors, je reviens à vous, Monsieur Abdoulaye euh, euh, Sanda Maïga, euh, président de l'OPAGEN, l'organisation patronale des grandes écoles du Niger. Et tout maintenant, après la légalisation, il faut mettre un timbre de 200 francs ou un timbre de 500 francs. Vous, au niveau des, des écoles professionnelles, vous demandez de, constituer des, dossiers, vous donnez en tout cas une caricature de ce qu'il faut constituer en termes de dossiers, acte de naissance, euh, nationalité. Et est-ce que, à votre niveau, vous faites l'exigence d'avoir euh, des, des, documents légalisés portant des timbres Voilà, merci beaucoup. Bon, c'est pas le problème n'est pas au niveau des écoles, en fait, en réalité, mm. parce que nous-mêmes nous formons des étudiants qui vont faire un examen d'État. C'est-à-dire quand le dossier va aller à, à une commission régionale ou à une commission nationale, c'est eux qui vont rejeter le dossier pour dire que ce dossier-là n'est pas légalisé et que ce dossier-là n'est pas conforme. Vous comprenez Parce que ils veulent, respecter les textes de l'État. Mais vous avez aussi des gens qui mettent du zèle, il faut le dire. Hein. Il y a des gens, c'est un dossier qu'on peut faire passer, qui n'a rien à voir, qui n'a aucun problème. Mais il y a des gens qui sont zélés, c'est la nature de certains Nigériens. Ils sont zélés dans tout ce qu'ils font. Alors, des, choses qui peuvent passer, ils refusent carrément. Je veux dire des gens qui viennent, des élèves par exemple, qui viennent, qui veulent s'inscrire euh, dans, dans, vos établissements. Pas ceux qui sont déjà inscrits, qui vont dans les concours, mais ceux qui viennent nouvellement s'inscrire Est-ce qu'il y a cette nous exigence Nous exigeons des choses normalement. Mais maintenant, la personne a trois ans pour se, conformer. Mais je vous donne l'exemple. Actuellement où je vous parle, nous avons eu un cas, et ça, je reviens à, ce qu'a dit le... Le secrétaire général de l'ESN, euh, section collège et lycée, Adibis. Mm. Mm. C'est que quand certains fondateurs vous disent que c'est les parents qui ne veulent pas, ils ont raison. On a des parents d'élèves qui n'amènent pas le dossier pendant trois ans, qui n'amènent pas le BPC de leurs enfants, qui n'amènent pas le bac de leurs enfants, alors que nous devons authentifier. Et parce que ce point est très important, mmh. l'authentification. Parce que mmh. moi, je suis entièrement d'accord avec ça. parce mmh. Parce qu'il y a beaucoup de faux dans notre pays. Beaucoup de faux BPC, de beaucoup de faux bacs qui circulent. Si on authentifie, ça, ça ne marche pas. Et c'est des parents même qui sont même dans le système éducatif, qui ne le font pas. Mais après, ils se plaignent comme quoi c'est l'école qui n'a pas fait ceci et c'est là, c'est l'école. Non c'est pas l'école, c'est pas les fondateurs, c'est pas les responsables, les proviseurs et autres, mais c'est les parents d'élèves eux-mêmes qui ne constituent pas les dossiers. Pendant trois ans, l'information passe. Hein. L'information passe. 90% des parents d'élèves n'amènent pas les dossiers. Alors, nous ne pouvons pas comprendre à ce que on pense que comment ça n'a pas de sens quoi en fait qu'on dise que c'est les fondateurs des écoles ou les responsables des écoles. Et quand ils parlent de les fondateurs des écoles font du commerce et autres, mais même dans les écoles de l'État, on paye de l'argent. <laughs> ce n'est pas gratuit. Ça, je vous informe. Hein. Parce que quand vous allez à l'école primaire, on dit chaque fois il faut amener 2000, il faut amener 3000, il faut amener ceci et cela. Faites le compte d'ici la fin de l'année. Ça fait combien hein. Ça coûte même plus cher que dans les écoles privées. Plus cher. Et d'ailleurs, vous avez moins de formation que dans les écoles privées. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut choisir Aller payer ce qu'il faut, comme on le dit, hein, la santé n'a pas de prix, l'éducation non, <laughs> non plus n'a pas de prix. Donc, alors, qu'est-ce que vous allez choisir parce que c'est trop facile de dire que les gens cherchent de l'argent. Si vous avez compris, regardez ce qui se passe dans notre pays. Tous les anciens ministres de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de Sisi et cela, SIG, machin, sont devenus fondateurs d'école. <laughs> Parce que eux-mêmes, ils font quoi En réalité, cherchez à comprendre ce qui se passe. C'est trop facile de dire que l'autre cherche de l'argent. Quand les gens se battent pour être président et quoi et quoi, c'est pourquoi c'est pas pour chercher de l'argent. Donc, alors, vous comprenez Quand les gens, vous, vous, vous battez pour avoir des diplômes, c'est pour aller faire quoi C'est pas pour aller travailler pour qu'on vous paye donc, c'est cette euh, mentalité de. C'est des commerçants-là que je veux que les gens se comprennent. Parce que si les enseignants-là, on ne les paye pas, est-ce qu'il y aura cours Il n'y aura pas cours. Si. Vous voyez, maintenant, le système des impôts, d'ailleurs, a même fini avec les autres. Le système des impôts se rabat sur les écoles privées pour prendre de l'argent. On ne nous aide pas, hein. Personne n'amène de l'aide dans une école privée. J'ai dit bien rien. S'ils peuvent le prouver, ils n'ont qu'à le prouver. Une chose que je voulais préciser, mhm. quand je l'ai entendu, il a parlé de la commission d'orientation. Très bien qu'il a parlé de ça. Mhm. Est-ce que dans la commission d'orientation, quand vous avez vu les écoles privées dans lesquelles on doit envoyer les, les, les élèves nigériens, je parle du PPC, est-ce que vous avez posé la question pourquoi toutes les écoles ne sont pas dans la liste Là où je vous parle, j'ai la liste des écoles où l'État doit envoyer les, comment on appelle, les élèves admis au BEPC. Dans les écoles privées Dans les écoles privées. Mais je vous garantis, il n'y a pas 10%. Mais qui paye Il n'y a pas 10%, j'arrive d'abord, il n'y a pas 10% des écoles. Je pense que la commission d'orientation là mm. doit être juste aussi. En disant, mais attendez, pourquoi ces écoles pourquoi ces écoles-là, vous les orientez, vous orientez les élèves dans ces écoles et les autres Parce que je pense qu'un État qui est responsable, et même un parent d'élève qui est responsable, doit chercher la meilleure école pour envoyer son enfant. Un parent d'élève qui est responsable doit chercher la meilleure école. Mais les meilleures écoles ne sont pas dans cette liste-là. On envoie les élèves en fonction de ceci et cela. Bon, si la commission doit se plaindre sur quelque chose, la commission doit être juste pour demander, mais pourquoi on nous dit qu'il faut signer une convention avec qui Quelle convention Je pense que quand on doit envoyer des étudiants, on doit poser des critères. Comme on fait pour la bourse et autres là. Mm. Tout celui qui, doit, qui veut avoir des étudiants doit avoir doit remplir des critères, ceci et cela. Mm. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans notre pays. On fait, ah, à je m'en fous. Donc, je pense que la commission, au lieu aussi de vous apaisantir sur la constitution du dossier, poser la question OK, on oriente dans les écoles de l'État, ça c'est tout à fait normal. Mm. L'État a ses étudiants, l'État oriente dans ses écoles. Mais si l'État décide d'envoyer dans des écoles privées, l'État doit être juste avec tout le monde, poser le problème devant tout le monde. Et les, nos ministères concernés ne font pas cela. Par rapport aux orientations des élèves dans les écoles privées, est-ce que euh, les élèves qui sont orientés dans ces écoles seront pris en charge par l'État En envoyant les écoles, les, élèves dans les, les, dans les écoles privées, c'est que la logique veut que l'État les prenne en charge. Mais ce, que, ce dont nous sommes confrontés, lui, il le sait, hmm. l'État fait 4 ans ou 5 ans avant de nous payer une année. 4 ans ou 5 ans avant de nous payer une année. Hmm. Voilà comment ça se passe. Mais quand un parent d'élève, comme l'État ou un parent d'élève envoie son élève dans, une école, c'est qu'il doit payer. Hmm. Mais l'avantage que l'État nous faisons pour l'État, c'est que, comme je l'ai dit, l'État fait quatre ans avant de nous payer l'année. Là, vous parlez des élèves boursiers Boursiers, je parle des boursiers. En dehors des, des bacheliers, actuellement, ça fait trois ans ou quatre ans, il y a des brevetés qu'on amène dans les écoles privées. Hmm. Voilà, professionnels, je parle. Bien. Alors, monsieur Wisliman Ransratan, vous avez écouté les deux. Quelle réaction en tant que parent d'élève J'ai beaucoup aimé le recadrage fait par euh, Sanda parce que c'est à la fin, après être admis au bac, que l'enfant vient, il s'assied, il se demande quelle filière il doit faire. Alors que cela devait être, nous, en notre temps, c'est pendant l'année académique. C'est même les enseignants. Les enseignants utilisent souvent 5 minutes, 10 minutes de leur cours. si les historiens, si les géographes, si les mathématiciens, ils disent voilà comment il est arrivé à prendre cette filière. Jusqu'à à la fin de l'année, le, troisième trimestre, à partir d'avril, il y a des missions nationales qui viennent. On rassemble tous les candidats des écoles dans un seul lieu et on leur explique les filières, comment ça s'est fait. C'est quand c'est fini ces explications que les dossiers sont remis au directeur et le directeur met une cellule. Il est appuyé par certains professeurs aguerris pour éclairer les élèves. Mais aujourd'hui, moi, si je vous ouvre mon appareil, j'ai siégé, j'ai quitté en 2017. Mm. Pendant que j'y étais, les étudiants ont publié mon numéro sur Google. Et actuellement, rien que ce matin, j'ai été réveillé par un appel. Je suis à la NAB. On me pose des questions par rapport au dossier. Comment est-ce qu'il faut aller à la NAB Comment on constitue le dossiers? Pendant que cette année, un moment d'année, euh, l'État avait suspendu ses missions. Mais cette année, il y a eu ses missions à l'intérieur du pays pour aller rencontrer les étudiants et les informer des filières, les processus de constitution des dossiers et comment préparer leur avenir. Mais soyons responsables. Moi, je suis parent. Nous-mêmes, parents et les élèves en tant que tels, quand on les convie, les gens ne répondent pas. On dit, il y a la commission qui va venir vous expliquer. C'est là où je rejoins, euh, là, je parle d'Idrissa. Effectivement, les parents, quand un parent, un enfant, c'est les enfants même, hein, ils sont complices de leurs parents. Quand ils savent qu'ils ne veulent même pas aller à l'école publique, ils ne se cassent même pas le tampon de, de constituer un dossier. Pour pour euh, coincer son papa à l'amener dans le privé. Or, en principe, le dossier doit être fait à deux mois des examens, parce que comme on dit, généralement, le casier judiciaire doit être, ou le certificat de visite et contre-visite, à la fin de l'année, l'établissement doit avoir dans son sac tous les dossiers de ses élèves candidats. Ceux qui admettent, il lui est facile de collecter ces dossiers-là et les amener à la commission d'orientation. Mm. La commission d'orientation dont il a parlé, effectivement, nous avons été saisis par eux, mm. parce que moi, en tant que responsable euh, des parents d'élèves, j'ai été saisi pour dire de passer dans les établissements informés, les établissements qui n'ont pas amené les dossiers. Mais ça ne peut pas se faire. Pendant que la commission siège, on ne peut pas suspendre les activités, on ne peut pas. Euh, comment on va communiquer à la radio ou à la télévision mm. Mais il faudrait que. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu suffisamment de communication. Il n'y a pas de communication de part et d'autre, l'État. Moi, l'année passée, j'étais jusqu'à l'ANAB. J'ai demandé qu'est-ce que ça coûte à l'État de créer un site ANAB où il faut consulter ces documents-là. Il est là, les documents. Il suffit de le mettre dans le site. Il suffit de le mettre. Le site ne peut, coûter 30 000 francs au maximum par mois qu'il faut verser pour ces sites là L'État n'est pas en mesure de le faire, mais l'État est en mesure de, de nous payer, nous, quand on siège au conseil d'administration combien de centaines de, de mille. Alors que c'est pour les enfants qu'on le fait, c'est pour les étudiants qu'on le fait. Et les parents, nous sommes responsables de notre euh, propre situation parce que il faut comprendre que maintenant, les parents, comme l'a dit euh, Sandamega, les parents eux-mêmes, ils sont les fondateurs de la facilité. Nous aimons beaucoup la facilité. Donc, mon appel même si nous ne sommes pas à la fin de l'étude. Moi, vraiment, c'est ça qui m'a. Quand vous m'avez parlé, je pensais développer tout cet art qui constitue euh, la faisabilité de l'avenir de l'enfant, ah, parce que les étudiants, tout est écrit là-dedans. Il suffit qu'un étudiant sache le processus, euh, le processus le bac, du BPC au bac. Tout le processus est là, mais nous ne connaissons pas. Les parents ne connaissent pas les élèves dans les établissements en tant que tels, ils ne connaissent pas, parce que ça, là, en principe... Alors, si vous devez résumer ce, processus... ce processus, euh, là, on devait... Qu'est-ce qu'on doit retenir Qu'est-ce qu'il faut faire Je recommande à l'État, c'est plus facile. Mm. Ces documents-là, de les mettre à la disposition des établissements. Et recommander aux établissements... C'est lequel document, si vous pouvez donner, parce que les, auteurs ne savent pas de quel document il s'agit. Euh, par exemple, pour les bacs, c'est l'arrêté portant les modalités d'attribution des bourses. Si on les amène dans, dans chaque établissement, et on dit au chef d'établissement qui est censé véhiculer ou vulgariser ces documents au niveau de tes candidats, hein. ça facilitera les, choses. Hein. Hein. pour les élèves en tant que tels, et à la fin de l'année, les missions aussi, elles doivent être euh, euh, plus euh, renforcées. Parce qu'il ne suffit pas d'aller dans un département et demander à tout le monde de, venir. Il faut le faire de manière concertée, surtout avec aujourd'hui l'organisation même l'USN, il faut, la faire, il faut faire cette mission avec l'USN. Si aujourd'hui la section collège et lycée est associée dans cette mission de, sensibilisation, c'est eux-mêmes qui vont pousser leurs collègues, leurs camarades à se mobiliser, à aller écouter ces, ces, encadreurs pour les informer sur l'avenir. voilà, euh, en résumé, ce que je compte, euh, je tiens à dire par rapport au document d'attribution de bourse. Bien. On sait que euh, pour s'inscrire dans une école privée, après avoir constitué le dossier demandé, on demande des frais de dépôt les frais de dépôt des dossiers. Euh, dans certaines écoles, c'est 10 000 francs, dans certaines écoles, 5 000. En tout cas, à majorité, on dit 10 000 francs. Je voudrais bien poser cette question à l'OPAGEN, euh, Abdullah et Sandaméga Comment expliquer ces frais de dépôt des dossiers dits non remboursables mais c'est pas seulement dans les écoles privées. Vous allez à l'ENA, qui est une école de l'État, ça existe. Vous allez à l'université, ça existe. Partout, ça existe. C'est pas quelque chose de nouveau. Je ne sais pas pourquoi les gens focalisent leur euh, débats, leur machin sur les écoles privées. Alors que ce que nous, nous faisons actuellement, nous faisons mieux que les écoles publiques. Je dis, j'insiste et je, le répète. Certains d'entre vous, non La majorité d'entre nous. Je ne dis pas que nous sommes, clean. Hein. Hmm. Ça, je ne suis pas là pour défendre euh, hmm. l'indéfendable, moi. Moi, je suis très clair sur mes positions. Hmm. OK Donc, ce que nous disons, c'est que ce que nous faisons dans les écoles privées, nous, nous, nous, amenons de la valeur ajoutée dans les écoles privées. Nous créons de l'emploi dans les écoles privées. Nous faisons l'une des meilleures formations dans les écoles privées. Et la preuve est là, le parent d'élève vous a dit, c'est des élèves eux-mêmes voulant pousser leurs parents à les inscrire dans le privé qui font tout pour qu'il n'y ait pas de dossier. Pourquoi les gens veulent aller euh, dans les écoles privées alors, mais euh, vous avez évoqué cet aspect que certains partent du privé au, public, euh, mais on sait que beaucoup n'ont pas toujours les moyens de pouvoir euh, étudier trois ans, quatre ans d'années successives en train de, payer des, frais. Mhm. Et c'est justement la raison d'être, je pense, des commissions d'orientation oui, mais avec les commissions d'orientation aussi devaient être justes, comme je vous ai dit tout à l'heure. On ne peut pas prendre un groupe d'écoles et on, laisse un autre groupe d'écoles. D'ailleurs, comme l'a dit le, vice-président, c'est qu'il y a un problème de désinformation ou, de manque d'information. Regardez par exemple au niveau des ministères. Hum. <laughs> Tout ça, c'est les ministères. Hum. La logique veut que ce soit les écoles publiques, que ce soit les ministères qui soient notre référence. Hum. C'est ça qui est logique les écoles privées ne devaient pas être des références. Quand vous vous, trouvez en face d'un ministère qui refuse chaque année de faire une situation des écoles, des meilleures écoles et autres, il y a un problème là quelque part. Pourquoi Vous posez des questions. Logiquement, les étudiants doivent avoir des informations dans les ministères. Et ça devait être affiché et dans les ministères, ça devait passer sur Internet, ça devait passer dans les journaux. Pour dire que voilà, telle, telle école sont performantes. partir des examens de ce qui s'est passé pour cette année, voilà ce qu'il y a parent d'élève qui choisit l'école la, moins performante, ça c'est son problème. Un parent d'élève, et je sais qu'un parent d'élève conscient ne va pas choisir l'école la, moins, performante. Mais... Il va choisir la plus performante parce que c'est le ministère qui lui a dit. Mais les plus performantes sont chères. Qui a donné. sont chères. Il y en a qui. Il je cet vous expliquer. De, de des écoles privées qui est évoqué, qui, revient souvent. Mais qu'est-ce que vous appelez cher C'est ça la question, le mot cher. J'ai un. Euh, un collègue euh, malien qui est venu créer une école au Niger. Hmm. Il me dit la première observation qu'il a faite, c'est que les écoles coûtent tellement moins cher au Niger que lui, il ne peut pas faire une école ici. Hmm. Donc ça m'étonne là. Hmm. Et les mêmes parents qui, qui comme vous vous dites là, qui disent que les frais de scolarité dans les privé sont très chers, mais c'est les mêmes qui veulent que, d'abord, ils ne payent pas. Attends, eux là, là, eux qui parlent comme ça. Parce qu'ils n'ont pas l'argent. C'est ça. Et c'est les mêmes qui nous disent de mettre les enseignants dans les conditions, de les payer plus cher. Mais c'est pas eux. Il est là. Hmm. Les parents d'élèves. C'est les mêmes qui veulent que leurs enfants soient dans des salles climatisées et autres. C'est pas eux. C'est les mêmes qui veulent que leurs enfants euh, soient euh, dotés, l'école soit dotée des de, de, de meilleurs enseignants hmm. et de meilleurs matériels pour la formation. Et c'est les mêmes qui ne luttent pas pour que l'État soit juste avec les écoles. Hmm. Et c'est les mêmes qui ne luttent pas pour que l'État aide les... Non, non. Mais on voit, comme il a dit le terme, c'est des commerçants. Dites-moi qui n'est pas commerçant au Niger. Dites-le moi. de, de haut jusqu'au planton, qui n'est pas comme ça. Bien. Vous comprenez <laughs> Donc, alors, c'est trop facile de dire, je dis bien, c'est trop facile de dire que dans les écoles privées, c'est cher. Mm. Bien, nous donnons la parole à Adibis euh, Alio, secrétaire général de l'ISN, euh, donc section collège et lycée euh, de Niamey. Est-ce que vraiment c'est un casse-tête pour vous cette question de, de ces questions euh, de, d'accession à la bourse et ces questions d'orientation euh, D'accord. Avant de répondre à cette question-là, je dois revenir un peu en arrière relativement aux écoles privées pour les différentes orientations. Quand nous allons parler de la commercialisation des établissements privés, mm. on ne fait pas allusion à ce que les, les présidents de l'OPAGEN pensent. Ce que nous nous sommes en train de dire, c'est-à-dire il y a des chefs d'établissement. Les termes là que j'ai employés, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Même si à 100%, ils ne le font pas. Mais la majorité, c'est ce qu'ils sont en train de pratiquer. Mm. Pourquoi j'ai dit cela Parce que moi... Est-ce que vous pouvez donner des exemples Des exemples, exemple Moi, mon cousin, il étudie dans une école privée de la région de Niamey. Mm. Et je sais que son papa, là, s'il a été informé pour la constitution des dossiers, pour l'orientation de son enfant, de mon cousin, là, il le fera. Et les petits, mon cousin aussi, il n'a pas été informé. Et aujourd'hui, dont je vous parle, il n'a pas bénéficié de cette orientation. Et tout simplement parce que il veut que l'année, le projet veut que l'année prochaine, les papa là, il puisse venir payer la seconde pour le petit là. Mais est-ce que la responsabilité revient forcément au chef d'établissement d'informer le papa de ton cousin Ou bien, c'est. La euh, responsabilité a, Tout à dit que, c'est responsabilité générale. Hmm. Dans un premier temps, c'est une responsabilité qui revient au chef d'établissement en faisant quoi En passant l'information pour tous les candidats et, au, à l'examen du BPC. Euh, après, avant, le BPC, avant BPC, ils doivent réunir tous les élèves. Hmm. Même si c'est à la fin d'un coup que l'administration va passer dans les classes pour dire voilà, après l'admission du BPC, il y a des dossiers qui seront constitués pour pouvoir déposer pour l'orientation. Oui, alors là, c'est pour ces qui Chose Ça qui n'a pas été fait. Donc, voyez, nous, nous allons dire c'est pour la commercialisation. Par rapport encore aux orientations dont le président de l'OPAGEN a dit que l'État choisit des écoles privées hmm. pour qu'il oriente les élèves hmm. admis au BPC au baccalauréat. Moi, même cette année, nous, nous avons soulevé la question au niveau de la commission d'orientation. Parce que moi, en tant que représentant... Moi, j'étais surpris hmm. d'avoir une liste avec des, écoles. privées ciblées. Parce qu'il y avait même l'NSP là. L'NSP là, on a attribué trois places pour la région des À l'IPDR, aucune place pour la région de Et les écoles que j'ai vues ici, c'est la liste de cette année. Nous, cette année, les écoles là que je vois sur cette liste, elles ne sont pas présentées à la commission d'orientation. Hmm. Et j'ai même effectué une mission après la commission d'orientation dans beaucoup des écoles privées. Et ça, là, nous ne pouvons pas accepter à ce que des écoles privées attribuent des places pour les enfants des pauvres Nigériens et qu'elles vont caporaliser ça au niveau du ministère ou bien de la direction régionale. Ça, cette question, nous l'avons soulevée avant-hier et avec la direction régionale. Hmm. Aujourd'hui, par rapport à toutes ces écoles privées-là, quand nous avons posé la question pourquoi les écoles là, on n'oriente plus dans ces écoles. Parce que les écoles qui nous ont présentées, c'est une école minoritaire par rapport à l'année passée. Mm. Parce que j'ai la fiche de l'année passée que j'étais avec ça à la commission d'orientation. J'ai posé la question, mais pourquoi toutes ces écoles n'ont pas été au rendez-vous pour qu'on puisse orienter dans les écoles mm. Ils disent, et voilà, voilà le problème. Chaque année, quand on oriente dans ces écoles, l'État refuse de payer les frais de formation des élèves dans ces écoles, les élèves orientés. Mm et que les, les chefs d'établissement de ces écoles privées, ils ont suspendu le protocole avec la commission régionale pour pouvoir orienter les candidats admis hmm. au BPC dans ces écoles-là. Et du coup, l'air n'en revient plus sur la Voilà. Donc j'ai dit, ah, si tel est le cas, nous, nous ne pouvons pas condamner la commission, mais nous allons attaquer les ministères pour que vraiment, dorénavant, s'ils savent qu'ils ne pouvaient pas payer les écoles-là, il ne faudrait même pas qu'ils amènent la question des orientations dans les écoles et les écoles professionnelles privées. Parce que même l'orientation des écoles privées dans les écoles professionnelles, et les orientations là, dans les écoles professionnelles, les militants, ils n'ont pas, ils n'ont pas cette information. Hmm. Les militants, ils ont juste l'information qu'il y aura une orientation. Si la personne a bénéficié d'une orientation, ils peuvent être orientés dans les lycées d'enseignement général. Alors, pour les écoles professionnelles, c'est hmm. juste NSP, IPDR, Calmaro et Isaberi. C'est juste les écoles privées étatiques là que les gens connaissent qu'on peut faire les orientations. Alors, moi, la question que je voudrais vous poser en tant que secrétaire général de l'ISN section collège et lycée de Niamey, c'est que vous, au, niveau de, cette section, vous avez quand même toutes ces informations. Est-ce qu'il y a un système de véhicule de, de, ces informations au niveau de, tous les élèves, au niveau des candidats, au lieu d'attendre que ce soit les chefs d'établissement qui font, qui donnent ces informations Nous, l'année avant même la fin de l'année, hmm. nous avons fait plus de trois projets présentés à nos partenaires juste pour la pour sensibiliser nos militants relativement à beaucoup de choses. C'est-à-dire, dans un premier temps, la prise de conscience relativement à nos biens publics et privés pour sensibiliser nos militants lors de nos différents mouvements, mm. de sauvegarder les biens publics et privés. là. Mm-hmm. Ça nous revient des droits. Mm. Nous avons fait des projets pour présenter à nos partenaires. Ils ont refusé de financer. Par rapport à encore la sensibilisation de nos candidats et après l'obtention des diplômes BPC ou baccalauréat, ah. voilà ce qu'ils doivent faire et les choix des filières. Hmm. Nous avons présenté un document pour, pour avoir des subventions, pour faire une commission une caravane de sensibilisation. Ils ont refusé. Aujourd'hui, Vous l'avez présenté où Nous au ministère de tutelle Oui, oui, à nos partenaires. Hmm. Nous avons présenté ça au niveau de. Parce que notre premier partenaire qui doit financer, c'est la ville de Niamey. Hmm. Nous, la... nous avons présenté ces documents-là. Ils ont refusé de financer les documents. Et après, nous avons fait appel à la direction régionale et ils ont l'amour de nous financer ils ont l'amour de nous aider, mais ils n'ont pas un fonds pour pouvoir nous financer. Ils ont cherché des partenaires pour nous, pour pouvoir financer ces projets-là. Mais fort malheureusement, ça n'a pas été Est-ce que vous ne pouvez pas passer l'information autrement que de vouloir avoir forcément des moyens Aujourd'hui, la façon d'informer, c'est les médias hmm. c'est les médias. Il y a aussi les réseaux sociaux. Il y a les réseaux. Sur les réseaux sociaux, il ne faut même pas parler. Nous avons une commission presse qui, tout ce que nous pensons qui va dans l'intérêt de nos militants, nous allons convoquer la commission presse de la section pour lui dire voilà, voilà, voilà, il faut faire une publication pour que les militants et militantes puissent voir ce que nous sommes en train de penser mm. par rapport à la gestion. Mm. Et on passe les informations sur les réseaux sociaux. Ça là, ça ne suffit pas. Parce que vous savez, c'est que nous sommes. Nous sommes des fénéens. ça nous le confirmons. Nous sommes des fénéens. Nous, c'est comme ce que les présidents et les, de l'Opagène et les présidents des parents d'élèves ils disent. Nous mm. aimons la facilité. Par rapport. Vous, les élèves Oui, oui. Ça, c'est la génération comme ça. Euh, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Nous mm. aimons trop la facilité et nous sommes des fainéants. Nous ne voulons pas faire des recherches profondes. Des recherches profondes. Mais aujourd'hui, si c'est pour passer dans les établissements, pour, passer, pour faire une caravane de sensibilisation, moi je suis convaincu quand on va rentrer dans une école, s'ils ils disent que c'est la section lycée collège qui est présentée, les, les élèves vont venir nous écouter. Quelle que soit la durée, ils vont s'arrêter et écouter ce que nous allons dire. Hmm. C'est la méthode la plus simple et la plus facile hmm. pour que l'information passe au niveau des militants par rapport aux différentes orientations. Mais l'État refuse. Et nous, nous n'avons pas les moyens pour pouvoir faire la caravane dans toutes les écoles de la Les petits, et ce que nous avons, c'est les, grandes écoles que je peux dire, les casser les corombés, que chaque fois nous sommes dans ces écoles. De bouche à oreille, on passe l'information à nos militants. Bien. Alors, je voudrais juste je, voudrais euh, demander votre réaction, M. Abdullah Sandamaïga, par rapport à l'aspect qu'il avait soulevé. Euh, notre, pour les orientations dans les écoles privées. Euh, après, le constat fait que ces écoles professionnelles euh, ne sont pas souvent, ne, ne, rentrent pas dans leurs droits après avoir reçu des, élèves orientés. Euh, est-ce que vous confirmez que le protocole entre vous et, l'État par rapport à cette question a été suspendu de ces faits Mais il n'y a même pas de protocole. Ils font ça entre eux et certaines écoles qu'ils veulent. C'est ce que je vous ai dit dès au début. Hum. C'est que tous les, il ne travaille pas avec les structures de ces écoles. Il travaille c'est à, la tête de, du fondateur d'école qu'il donne ce protocole-là. Mais ça, ne, regarde, ne pas officiellement les structures, euh, Des, écoles. Non, non, non. C'est pas légaliste et c'est pas légal et c'est pas juste. Ah. Justement, j'étais parti une fois au Tchad. Au Tchad, c'est le ministère de l'enseignement supérieur qui fait des visites dans les écoles et c'est ce ministère-là qui vient avant la commission d'orientation pour dire voilà les écoles, voilà leurs capacités, voilà leurs leur compétences, voilà leurs capacités d'accueil et autres. Mm. Et ce sont ces, cette orientation-là qui oriente les élèves bacheliers dans les écoles. Mm. Au Niger, les élèves, les étudiants bacheliers viennent de leur propre chef dans les écoles. Mm. Ça veut dire que vous allez trouver dans, un, dans, dans une structure de l'État où il y a des gens qui orientent eux-mêmes, qui donnent des informations individuelles à des étudiants qui ont le bac. Non, il ne faut pas aller dans telle école, il faut aller là-bas. Il ne faut pas aller dans telle école, il faut aller de l'autre côté. Vous comprenez mm. Ça, c'est pour les bacheliers. Mm. Mais pour les brevetés, ce n'est même pas du tout ça. Pour les brevetés, c'est encore pire que tout. Dans un État qui se respecte, on doit poser des critères, critères pour que cela se, fasse normalement. Maintenant, quand une école ne respecte pas les critères, l'école va se battre pour l'année prochaine pour, pour respecter les critères et qu'on y envoie des étudiants. Mais pour le non-paiement des frais, là, hmm. mais tenez-vous bien, même les écoles publiques, je vous donne le cas de, de, l'NSP, hmm. a été confrontée à ce même problème une année, je ne sais pas si c'était l'année passée ou l'année passée, hmm. où, ils ont même pratiquement chassé les élèves boursiers de l'État, parce que l'État ne les payait pas. Et pourtant, c'est une école de l'État. Est-ce que l'opagène, au niveau de l'opagène, vous avez, mené ou bien vous comptez mener une démarche au niveau du, ministère, en tout cas en question, pour euh, échanger sur ces questions, voir comment. Mais bien entendu, vous, connaissez moi ma manière. Moi, mon problème, c'est de lutter contre l'injustice. Moi, je ne supporte pas. Vous étiez allé ou bien vous pas, On a écrit. Hmm. Mais bon, comme d'habitude. Mais il n'y a pas que les boursiers de l'État. Même les civicards. Hmm. Même les civicards, je vous donne l'exemple type. Hein. Hmm même les civicards, ils prennent, par exemple, je vous dis, hein, hmm. ils envoient des civicards dans presque toutes les écoles du Niger, mais ils n'envoient pas à l'IPSP. Mais on prend les étudiants de l'IPSP qui ont fini comme civicards pour les envoyer dans les autres écoles. Vous, trouvez, ça juste Et ça fait des années, on me dit non, vous n'avez pas écrit. Depuis 2015, j'écris. Nous sommes en 2019. Alors, Mais on n'envoie voit pas l'IPSP. Vous trouvez ça juste pour finir, pour finir, ça, quels sont aujourd'hui Et je suis convaincu qu'il n'y a pas que l'IPSP dans ce cas de figure. Il y en a beaucoup qui hmm. sont là, on prend leurs élèves, on les envoie ailleurs, mais eux, dans leur école, on n'envoie pas des civicards. Mais est-ce qu'on est juste dans ce pays Alors, Ce n'est pas normal. Ou vous envoyez à tout le monde, ou vous refusez à tout le monde. Ou si vous voulez envoyer à tout le monde, posez des critères, réunissez tout le monde parce que nous avons les mêmes droits. Alors, voilà. Pour finir, quelles sont, en tout cas vous, les recommandations que vous avez ou quelles sont vos attentes pour l'avenir pour que euh, les élèves, en tout cas qui, sortent nouvellement des, différentes écoles avec leur brevet ou leur bac, qu'ils puissent être bien informés, qu'ils puissent être orientés dans des écoles ce que, Ce que moi je pense, c'est que si l'État, enfin les représentants de l'État, hum. enfin certains, s'ils sont soucieux de l'avenir des, euh, de ces jeunes Nigériens, qui ont aussi des droits comme eux, qui sont directeurs, ministres, je sais pas moi, quoi et quoi et quoi. Mm. Parce que les mêmes élèves là ont les mêmes droits qu'eux. Mm. Eux, ils sont arrivés là où ils sont, ils mm. oublient les autres qui sont derrière. S'ils sont soucieux de cela, ils doivent mettre tout le monde au même pied d'égalité. C'est-à-dire, avant d'envoyer ces étudiants dans les écoles, ils doivent faire publier légalement la liste des écoles avec leurs performances dans les ministères concernés, parce que nous avons trois ministères qui sont concernés. Le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de la formation professionnelle et le ministère de la santé, mm. où on doit avoir les résultats pour savoir quelle place occupe telle école, mm. telle année. Mm. Et cela doit se faire. Deuxièmement, par des visites, parce que nos différents responsables ne visitent pas nos écoles. Hein. ils s'arrêtent, ils envoient des inspecteurs, ce qui est normal parce que le travail des inspecteurs est à part. La visite et technique ou la visite formative ou je ne sais pas moi quel type de visite du ministre lui-même est à part. Mm. Parce qu'un inspecteur peut te dire une chose, alors que quand tu vas sur le terrain, c'est pas ce que tu trouves. Mm. Deux, Troisièmement, on doit faire en sorte que justice règne dans nos ministères, dans nos trois ministères. Là. On ne peut pas me dire que le ministre ou le SG n'est pas au courant qu'on envoie des, des dans les, écoles. On ne peut pas me dire que euh, le, ministre ne sait pas que telle école, telle école n'a pas eu de boursier de, BPC et autres. Ça, c'est inadmissible. Donc, je pense que pour qu'on soit juste avec nos élèves, on doit faire en sorte qu'il y ait le même droit que tout le monde. C'est-à-dire leur choisir les meilleures écoles dans lesquelles on doit les envoyer. Mais pas de les envoyer dans les écoles de parents, amis et connaissances. Ah, et qui n'ont pas de bons résultats. Bien, monsieur on attend votre mot de la fin. Bien. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui euh, euh, Sur quoi mettre l'accent pour, euh, pour garantir en tout cas une meilleure formation aux, élèves Bien, merci. <coughs> Excusez-moi. Vraiment, ça me tenait au cœur que je suis venu même avec des propositions. Euh, pour la première euh, des choses, côté ISN, section collège et lycée, pour mieux vulgariser, il faut aller avec les moyens de bord. Il est permis aujourd'hui de prendre en compte la situation d'une école à travers le plan d'action parlant de COGES. Une proposition d'insérer dans le plan d'action un montant qui sera attribué pour la vulgarisation des taxes d'attribution de bourses. Et, d'orientation. Et mmh. appeler quelqu'un euh, qui s'y connaît le payer et entretenir les élèves par école. C'est une première démarche. Ça mm. va attirer l'attention des élèves. Parce mm. que quand c'est fait, l'élève va repercuter l'information au niveau de son parent. Mm. Aujourd'hui, nous avons été informés, voilà, après le brevet, voilà ce qu'ils devons faire. Après le bac, voilà ce qu'ils devons faire. Et là, ça va conscientiser le parent. Parce que c'est lui qui a donné l'argent à travers euh, le COGES. Maintenant, à l'endroit même euh, des parents, que nous ayons la responsabilité de s'assumer. Parce que quand tu viens inscrire ton enfant dans un, établissement, dans une école, on te donne le règlement de l'école. Et dans le règlement, il est dit, tout, le comportement et les dossiers. mais malheureusement, 90% des parents d'élèves, ils viennent inscrire l'enfant le 1er octobre, ils s'en vont. C'est quand soit l'enfant est frappé par une sanction ou le bulletin est mauvais qu'on revient. Donc, euh, de préparer le dossier à temps, euh, c'est-à-dire au troisième trimestre, tu prépares le dossier de ton enfant, tu le déposes au niveau de l'école. Mm. Tu dois être conséquent avec. Aujourd'hui, ce n'est plus les, les 80% des parents d'élèves sont allés à l'école. Hein. Mm. Ils sont tous allés à l'école, mm. pratiquement. En tout cas, même s'ils ne sont pas allés, leur euh, progéniture est allée à l'école. Maintenant, par rapport à, à l'État en tant que tel, l'État doit créer les conditions de vulgarisation des textes. C'est une obligation pour l'État d'informer et les candidats et les parents d'élèves des possibilités qui s'offrent à un Nigérien pour mieux préparer son avenir. Parce que si nous sombrons aujourd'hui dans cette ignorance après le BPC, après le bac, c'est parce que beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves ne savent pas à quel sens se vouer après l'admission. Et ça, il revient à l'État de vulgariser ça. Mm. Et il y a de l'argent qui est alloué pour ça. Maintenant, mais monsieur le président, c'est fait à dessein par certaines personnes. Ils font exprès. Pour résumer, pour résumer, nous profitons de l'occasion pour qu'il y ait aussi une synergie à travers la, section collège, les, scolaires, les parents d'élèves et les écoles elles-mêmes pour que nous puissions nous, nous, comprendre et créer un cadre dans lequel, effectivement, nous pouvons créer ces conditions de, de, s'entendre et de nous mettre dans des de bonnes De dialoguer et d'avoir toujours des, des, solutions pour les difficultés. Pour... Oui, Adibis, nous terminons avec vous. Et quelles sont vos attentes par rapport à toutes ces questions d'orientation, ces questions de, de, bourse, ces questions... Euh, Vraiment, nous, notre attente, c'est ce que le président a dit. Nous, ce que nous attendons de l'État, c'est la vulgarisation des informations. Parce que les militants, ils ne sont pas informés. Et la majorité des parents de ces élèves-là, non pas, ils ne sont pas informés. Hmm. C'est ça le plus grand problème. Et l'information là, ça ne peut pas passer comme ça. Il faut vraiment qu'on s'organise pour passer les informations un peu partout. Hmm. Vraiment, moi, c'est ça mon cri de cœur. Hmm. Et même à la commission, je l'ai dit, dans Allah, Allah, il faut créer les conditions pour que nos militants soient informés et nos parents. Bien. Vraiment. Et c'est ici que prend fin le forum d'aujourd'hui sur le thème La problématique de l'orientation et du choix des filières pour les élèves après l'obtention du brevet ou du bac, les difficultés liées à la constitution des dossiers. Nous avons vu que l'une des difficultés majeures à laquelle sont confrontés les élèves et les parents d'élèves relativement au choix des filières à suivre et à l'orientation, c'est surtout un problème d'information. Nos invités suggèrent entre autres la tenue de caravanes de sensibilisation, la publication par l'État des informations précise précises relatives aux performances des écoles publiques et privées pour guider le choix des élèves et de leurs parents. Il a été aussi suggéré que des activités d'information et de sensibilisation relativement aux questions d'orientation et de choix de filières après le bac ou les brevets soient prévues dans les plans d'action des COGES, les comités de gestion des établissements scolaires. Euh, nous étions en compagnie de Wisliman Ransratan, vice-président de l'Association des parents d'élèves et d'étudiants, Abdullah Sandamaïga, euh, euh, président de l'OPAGEN, l'organisation patronale des grandes écoles du Niger, et Adibi Salio, secrétaire général de l'USN, euh, section collège et lycée de Niamey. À la présentation, Alassane Kouzi Mahamadou. Merci, bonsoir.